Nassiru Bodo. Dondi la machine te souhaite calmement la bienvenue sur tout ça Merci, merci Dondi. Ça va mon euh, frère Merci au studio Kalangou. ça va On sait déjà qui tu es. Alors on va parler de l'écriture. Parce qu'aujourd'hui, cette rubrique te reçoit en tant qu'écrivain. Tu as essayé un essai. Voilà. C'est ça Ouais. Parlons un peu de l'écriture au Niger. On voudrait avoir euh, d'abord le pourquoi ton engagement dans l'écriture. C'est important. Monsieur. Eh, bonjour, cher euh, Bonjour, camarade, ce euh, que je préfère euh, les camarades d'Ondi. <laughs> Eh, c'est pour la même cause. C'est pour la même cause. Et donc, j'ai mon engagement l'écriture mhm. et, une traduction, si vous voulez, littéraire mhm. de mon engagement politique. Parce que comme je suis un acteur politique, un jeune acteur politique indépendant, mhm. j'ai décidé de traduire en écrit pour la mémoire nos convictions personnelles, nos idées, ce que nous pensons de notre pays, ce que nous voulons pour notre pays et ce que nous constatons et à partir d'un constat d'où nous partons pour nous engager en, politique. Voilà ce qui m'a poussé à écrire. Et comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas un roman, mhm. c'est un essai. Mhm. Et donc c'est un appui à mon engagement politique. D'accord. Vous avez parlé à l'instant, Monsieur le Président, de romans et d'essai. Qu'est-ce qu'on entend par roman Qu'est-ce qu'on entend par essai Bon, vous savez, eh, en littérature, il y a plusieurs genres littéraires. Mhm. Et donc, euh, les romans, euh, vous savez, il y a un genre romanesque, les science-fiction, il y a plusieurs autres genres. Mhm. Et donc, euh, l'essai, c'est vraiment un genre littéraire mhm. où on écrit sur des notions et dont on n'a pas le monopole ou même la prétention d'avoir achevé ou vidé. Mhm. Donc c'est ça la différence avec les romans et, les déjà un tout petit peu, puisque je ne suis pas profondément littéraire et j'utilise la littérature pour appuyer mon engagement politique. Donc les grands littéraires vous diront certainement avec précision les spécificités et les petites différences qu'il y a entre les différents genres. Merci, euh, n'est-ce pas, le politicien Nassir On va donc parler. le <laughs> politicien, c'est un peu péjoratif. Ok, d'accord. L'acteur politique Nassir On va parler cette fois-ci de l'avenir de l'écriture au c'est important. Est-ce que vous pensez que l'écriture a un avenir ici au Niger avec une jeunesse qui ne s'adonne pas trop à la lecture Bon, moi, je suis déjà euh, très optimiste. C'est vrai, si on part du constat actuel, l'écriture euh, ne vaut pas grand-chose au pays puisque les jeunes, comme vous l'avez dit, mhm. ne lisent plus mhm. comme euh, les aînés les mhm. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je profite de cette occasion pour euh, nous interpeller tous en tant que jeunes parce que on ne peut pas être dans l'engagement, on ne peut pas être influenceur, on ne peut être quoi que ce soit aujourd'hui en étant inquiet, en étant insuffisamment informé. Et qui dit informé dit forcément lire. Parce que quand on lit, si vous prenez même euh, nous, comme nous sommes et musulmans... même le Coran, le premier verset, c'était de lire. On demandait au prophète Mohammed de lire. Ikra. Voilà, donc et là, on peut déduire l'importance capitale que révèle la lecture. Et donc, si nos jeunes veulent se distinguer, veulent devenir excellents, ils doivent forcément lire. Et surtout, par exemple, aujourd'hui, sur l'engagement politique dont j'ai fait cas tantôt, si aujourd'hui quelqu'un, même un concurrent, s'il voudrait comprendre ce que je pense, il doit passer objectivement par ce que j'ai écrit pour traduire ce que je pense de la politique ce que je pense de, comment fonctionne notre pays. Donc si aujourd'hui quelqu'un décide de m'attaquer sans passer par euh, le livre que j'ai écrit, il sera peut-être passé à côté et il sera peut-être, euh, il s'exprimera sans être suffisamment informé, alors que lui aurait fallu juste de lire le livre pour comprendre qui je suis, pour comprendre ce que je pense et pouvoir même préparer sa concurrence dans le commerce des idées que constitue la politique. L'instant cette fois-ci est solennel. L'artiste, l'écrivain, l'acteur politique, le juriste va donc s'exprimer. Nassir dans dit la machine et les humains qui sont de l'autre côté te donnent la possibilité de dire tout ce que tu as au fond de tes entrailles. Merci beaucoup Dondi, merci beaucoup la, machine. Et comme nous sommes là pour parler d'un livre, ce que j'ai à dire euh, va s'inscrire effectivement dans le cadre de, de, la lecture, parce que nous aussi, quand on écrit et que nous ne sommes pas lits, c'est un handicap. Nous écrivons parce que nous voulons faire passer des messages, nous écrivons parce que nous voulons nous faire comprendre par rapport à ce que nous pensons, nous écrivons parce que nous voulons témoigner de notre modeste passage sur, Terre. Nous écrivons aussi parce que nous voulons que les gens apprennent concrètement qui nous sommes, ce que nous pensons de la vie, de la politique, de la société du Niger. Et nous écrivons effectivement pour faire comprendre aux gens, pour leur faire appréhender le leitmotiv de notre engagement. Donc, euh, partant de cela, j'invite euh, les jeunes notamment à s'adonner à la lecture et même à l'écriture. Pourquoi pas Parce que dans tous les cas, ce n'est pas un domaine exclusivement réservé à ceux qui écrivent déjà. Nous devons tous écrire. Nous devons tous écrire pour témoigner. Nous devons tous écrire pour partager nos idées avec les autres. Et, voilà. Voilà. Vous avez certainement compris, mesdames et messieurs, que Dondi a moins papoté aujourd'hui. Il est avec euh, l'écrivain, pas n'importe lequel, Nasru Bono s'il le faut, entre les lignes, puisque nous sommes à la fin, n'est-ce pas, de cette première partie. Et...